le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio du studio du studio Kalangou, il est 18h passé de 15 minutes. Bienvenue dans votre émission quotidienne du Forum du Studio Kalangou, une émission qui apporte des réponses aux questions que vous vous posez quotidiennement. Le studio Kalangu est présent dans 20 localités du Niger à travers un réseau de radios partenaires. Ces radios partenaires qui diffusent les programmes du studio Kalangu en direct sont basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Chirozérine, de Ménesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Mauvais état des routes au Niger, c'est la thématique autour de laquelle nous débattrons ce soir pendant 45 minutes. On le sait, la route joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. Une route bien construite et entretenue permet le développement des échanges commerciaux et la réduction des coûts de transport. Elle contribue à la réduction du coût de la vie, à la diminution des accidents de la route et assure une fluidité des activités économiques. Aussi, dans les zones rurales, la route permet de désenclaver les zones de production en améliorant l'écoulement des marchandises vers les villes, réduisant ainsi les coûts de transport tout en améliorant l'accessibilité aux services de base, notamment les services de santé, les écoles et l'accès au marché des produits agricoles. Au Niger, la route constitue un mode par excellence d'acheminement des marchandises et intrants avec notamment le tronçon Belagaya, frontière du Bénin, d'une distance de 113 380 km. L'un des plus importants au Niger car il est emprunté chaque jour par des centaines de gros porteurs qui ravitaillent le pays en produits divers de la nourriture, surtout venant du port autonome du Cotonou au Bénin ainsi que celui du Togo. De ce fait, le transport routier constitue un vecteur important de développement au Niger. Ainsi, dans un premier temps, nous ferons l'état des lieux de l'état des routes nationales du Niger. Nous verrons par la suite les axes qui sont dans un mauvais état, les conséquences de la faiblesse et l'absence d'entretien routier sur l'économie du Niger et enfin ce qui est en train d'être fait pour y remédier. Et pour en débattre, nous avons dans ce studio un invité. Il s'agit de M. Maman Lawal, chef euh, suivi des réseaux et ouvrages au ministère de l'Équipement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous avons également en ligne M. Moumouni, secrétaire euh, du syndicat des chauffeurs qui est au bout de la ligne. Bonsoir, Monsieur Moumouni. Oui, bonsoir. Euh. À la présentation, fils Adam Sirfo. Je le disais plus haut, la route joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays, mais il, faudrait au préalable que les routes soient en bon état pour pouvoir participer au développement d'un pays. Au Niger, la réalité est là. La population est confrontée au quotidien à des difficultés de conduite sur les routes compte tenu de leur état de dégradation. C'est le cas du tronçon Gaïa dont les travaux tardent toujours à se concrétiser. Or, c'est par cette zone que transite le gros lot des marchandises ou divers produits en provenance du Bénin ou encore du Togo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter les témoignages de ces usagers de ce tronçon Belagaya au micro de notre correspondant à Je suis chauffeur et je viens de Cotonou. De Bela à c'est un véritable problème. La route n'est pas bonne du tout. C'est des trous partout. Il y a où il n'y a même pas de goudron donc obligé de rouler doucement à tes risques et périls. Car les voleurs n'attendent que ça. Ils montent sur les camions et déchirent la bâche. Si la route était bonne, ils n'auront pas cette occasion. C'est les voitures touristiques que je prends. À part les dégâts qu'on rencontre parfois, causés par des trous évidemment, on a moins de tracasseries que le gros porteur. Parce que nous, on descend parfois du goudron pour créer notre propre passage. Après 16 heures, nous, on ne bouge même pas d'ici, car c'est très dangereux. Combien de fois des voleurs ont attaqué les gens sur cette route Il n'y a pas un jour où un camion ne tombe. Tout est lié à la dégradation de cette route. Beaucoup de nos amis conducteurs ont quitté ces tronçons. Ils préfèrent contourner malgré la longue distance. Une route qui fait booster l'économie du pays et qu'on laisse comme ça, c'est regrettable. Si on veut réellement assez que les gens empruntent cette route, il faut la réparer. Parce que beaucoup de nos amis du Nigeria, du Bénin, empruntent cette voie pour amener, pour décharger au Niger. Mais aujourd'hui, là où ils sont, ils prennent une autre direction. Les commerçants ont peur de faire des pertes inutiles. Chaque fois, leur camion se renverse, ils perdent inutilement leurs produits pour rien. Et tout ça est lié à cette route. Tout ce qu'on veut, c'est que l'État n'a qu'à voir comment est-ce qu'on va réhabiliter cette je commence par vous, Monsieur Mamalawal. Vous venez là d'entendre ces usagers sur leur quotidien, cette route euh, qui est l'une des principales routes du Niger et qui depuis, depuis des années fatigue les voyageurs et casse les véhicules du fait de son très mauvais état. Alors, Monsieur Mamalawal, qu'est-ce qui explique cette situation Il s'agit ici de la RN7 qui relie Dosso à la frontière du Bénin. Euh, il faut dire que cette section est subdivisée en deux sections, dont une est actuellement en chantier. Il s'agit de Belagaya. Les travaux sont avancés, mais il y a eu des petits pépins. Les travaux sont à l'arrêt. Et pour ce qui est de l'autre section de Dosso à Bela, on peut dire qu'on va prononcer dans peu de temps un ouf de soulagement parce qu'elle va être en chantier à partir de dans cette année 2017. Euh, notre coopération avec le Millennium Challenge a promis, euh, a même euh, statué sur le image de Dosso à hmm. C'est vrai, à partir du moment où des études sont menées sur certaines sections en vue de leur réhabilitation, tout, tout programme d'entretien est caduque. On arrête l'entretien parce que c'est une peine perdue. Quand la dégradation de la route est généralisée, quoi que vous fassiez, il n'y a que la réhabilitation qui peut solutionner le problème. Heureusement pour euh, cette section, en 2017, Inch'Allah, ça va, ça va démarrer. Mm-hmm. Mais vous, avez parlé un peu de pépins sur l'autre axe qui, freine toujours à être concrète. Mais qu'est-ce qui freine euh, concrètement la construction de, cette route Bien, par rapport à, la deuxième section qui est en chantier, en l'occurrence à Bela Gaïa, euh, ou Bela Frontière, euh, il y a eu des petits pépins de retard au vu des travaux. Et quand on parle de retard, ça implique des pénalités euh, euh, que l'administration a imposées à cette entreprise. Et cette entreprise a, évoqué aussi de son côté, compte tenu du retard, la révision des prix des constituants entrant dans la construction de la route. L'un dans l'autre, l'entreprise est remontée plus haut jusqu'au niveau des bailleurs de fonds pour chercher une, euh, une intervention pour qu'on ne paye pas ces pénalités-là. À la date d'aujourd'hui, je ne saurais vous dire euh, ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est un dossier qui est sérieusement suivi au niveau, à travers la Direction générale des grands travaux, qui est une autre direction au niveau du ministère de l'Équipement. Oui, on le sait, euh, l'axe Belagaya n'est pas euh, l'un des axes euh, des routes nationales du Niger qui connaissent un état de dégradation. Mais qu'est-ce qui explique concrètement cette question Voyez-vous, je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'entretien périodique, ce qui implique les réhabilitations des, des routes, généralement, c'est à travers le programme FED que cela se, se, passe. Oui, c'est quoi le programme FED Le programme FED, c'est un programme de l'Union européenne qui aide les pays à réhabiliter leur infrastructure routière. au Niger, nous sommes en préparation du 11e FED qui va démarrer incessamment. alors, je disais tantôt que pour la réhabilitation, c'est le programme FED qui nous vient en aide et chaque section a une durée de vie. Quand on construit une route, elle a une durée de vie. On prend pour le cas de, la route qui nous concerne, vous avez parlé de Dosso-Gaïa. Euh, normalement, c'est une route à, multicouches. On appelle multicouches euh, les différentes couches de bitume. Euh, elle a une durée de vie de 15 ans. Compte tenu des difficultés financières de l'État, aujourd'hui, elle a plus de 15 ans, on ne l'a pas réhabilitée. Et cela implique une dégradation généralisée du réseau, de telle sorte que quoi que vous fassiez en matière d'entretien, quand c'est fatigué, c'est fatigué, il n'y a rien à faire, il faut réhabiliter. Hmm. Je reviendrai vers vous, le temps de donner la parole à M. Mouni. M. Mouni, vous nous écoutez Oui, je vous écoute euh, vraiment. Vous êtes, euh, vous dites, le secrétaire du syndicat des transporteurs routiers du Niger, c'est ça Oui, je suis secrétaire chargé des relations avec le conflit et syndicat CNCRVN, oui. syndicat des conducteurs de Michel du Niger. Vous avez écouté plus haut euh, l'intervention du, du, monsieur du ministère de l'équipement sur euh, le tronçon euh, Belagaya. Alors vous qui êtes euh, quotidiennement sur les routes, parlez-nous de la réalité sur le terrain. Comment les conducteurs vivent ce calvaire Ce calvaire, madame, mes prédécesseurs ont déjà dit, mais que ceux qui ont parlé avant moi ont déjà tout dit si la route n'est pas bon, donc nous, ça nous pénalise beaucoup. Parce que eh, on pas pouvez savoir quand vous quittez Agaya avant d'arriver à Menin, vous pouvez faire plusieurs heures sur la route avant d'arriver. Et nos passagers se plaignent toujours que la route n'est pas bonne. Nous aussi, c'est ce qui fait que nos, voitures ou nos camions, chaque fois, nous avons de panne dessus. Parce que la route, euh, vraiment, elle est dégradée. Oui, mais concrètement, comment les conducteurs se plaignent Quels sont les genres de plaintes qu'ils vous signalent Bon, c'est que nous vraiment, nous demandons au gouvernement de, faire tout possible pour arranger ces routes. Parce que, euh, vous l'avez tout dit, normalement c'est le route numéro 1 parce que euh, une route qui est le port du Cotonou et le port de Lomé jusqu'à aussi Accra. Donc, euh, c'est une grande route qui, sait fait que nos commerçants, nos commerçants peuvent aller et, retourner en inquiétude. Et voilà qu'aujourd'hui, en tant que chauffeur, on me dit d'aller à Cotonou, vraiment aujourd'hui, je, n'arrive pas à, aller à Cotonou parce que l'état de la route vraiment est dégradant. C'est ce nous déplorons vraiment. Oui, maintenant, euh, dans cette situation de dégradation, si vous quittez Niamey pour aller à Cotonou, vous prenez combien de temps Bon, euh, nous, c'est une journée parce que nous conduisons le bus. Mais le camionneur, il peut à, Parce que dès la Gaïa, c'est une journée entière pour le camion. Bon, nous aussi, ça nous fait, euh, ça fait 85 euh, km. Ça nous fait au moins ça, 3 euh, heures du temps avant de le traverser, ou 4 heures du temps pour traverser. Mais si on quitte ici, nous, on quitte à 4 heures du matin. Donc, 4 heures du matin, à, midi, à 1 heure du matin, nous serons à côté parce que c'est des bus, pas des camions qui prennent des marchandises, mais c'est des passagers. Et en temps normal, combien de temps ça vous prenait En temps normal, à 70 euh, km à 80 km, ça fait une heure de temps. Mhm. Donc, maintenant, à une heure de temps, maintenant jusqu'à 4 heures du temps. Donc c'est là un, des impacts sur vos activités. À part, cela, quels sont les impacts sur vos activités, cette dégradation Dégradation, elle est vraiment énorme. Mais on ne peut pas tout dire ici parce que sur ces routes, d'abord nous, nos calvaires sont beaucoup. Nous avons des difficultés avec les agents de la police ou de la douane. Quel genre de difficultés Bon, la première difficulté, c'est avec le passager, parce que celui qui touche vos passagers, il vous touche. Mm-hmm. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous pouvez quitter ici et, à Gaïa, il y a d'abord le contrôle au niveau des euh, pompéage euh, ici à Niamey, à la sortie de dessous à la rentrée de Dessau, à, euh, à la rentrée en Côte de Gaïa. Et avant, dans la ville aussi de Gaïa, on vous arrête. Et sous le pont du Bénin et du Niger, on nous arrête. Et tout le même véhicule qui a quitté ici à Niamey devrait subir un contrôle avant d'arriver aux frontières et jusqu'à 7 donc vraiment, nous demandons à nos autorités de, voir ces, choses-là, si on peut nous dire vraiment. Et nos passagers aussi, ils ont le même problème que nous parce que vous imaginez quelqu'un qui a quitté, qui a payé ses billets d'ici à, à, à Cotonou, à Lomé, arrivé à, à, Gaïa à la sortie, mm-hmm. et il avait tous ses pièces, mais on va lui demander de l'argent. Donc, M. Calvert-là, vraiment, nous de, demander au gouvernement de nous aider, de voir dans quelles conditions nous pouvons voyager librement. Oui, M. Moumouni, est-ce que l'état de dégradation de, ces routes euh, occasionne, euh, je ne sais pas, des pannes à vos véhicules Beaucoup, beaucoup, ça occasionne des pannes et jusqu'à des accidents. Parce que en roulant là où l'état de la route n'est pas bon, vous ne pouvez pas savoir peut-être euh, votre euh, quelque chose a été désiré avant de s'arrêter à les contrôler, ou soit c'est le filet qui va casser, ou bien c'est des... Il y a plusieurs pannes qui peuvent arriver, et ce qui est lié déjà à l'état de la route. Parce que dans le code, on nous disait il y a ces trois accidents. Premièrement, c'est le problème humain. Deuxièmement, c'est le camion elle-même. Troisièmement, c'est l'état de la route donc ces trois accidents-là que nous avons. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est revenu sur la voie. Donc vraiment, nous avons des difficultés sur ces routes-là. Oui, en termes de panne, qu'est-ce qui est le plus touché lorsque vos véhicules tombent en panne Qu'est-ce qui est le plus touché Bon, en termes de panne, c'est des, des, trucs qui vont casser, peut-être euh, euh, le goudron est déchiré, peut-être qu'il y a un morceau de bois que vous allez marcher dessus, il va vous casser le pneu. Donc, euh, de là, l'air va commencer à diminuer un peu, un peu, avant d'arriver quelque part. Maintenant, le pneu va s'éclater. Donc, toutes là qui, qui, arrivent souvent, les accidents. Est-ce que vous avez un cas, euh, un exemple de panne qui vous a, qui a occasionné, je sais pas, qui vous a permis de passer la nuit sur la route Est-ce que vous avez un exemple Oui, j'ai un exemple. Bon, même pas trois semaines de cela, j'ai trouvé euh, mon ami et entre la Gaïa, il est arrivé, comment on appelle, euh, le tuyau de Bexon est cassé. Donc il ne peut plus rouler, ils ont passé la nuit là-bas, mais malgré que la société a pris en charge, il a amené notre bus pour ramasser le passager pour amener leur destination. Nous allons revenir vers vous. Monsieur Maman Lawal, vous venez là d'écouter euh, les explications du syndicat des transporteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela oui, euh, j'ai écouté le représentant des syndicats des transports, des transporteurs plutôt. Effectivement, euh, l'état de la route Belagaya laisse à désirer, mais je le disais tantôt que dans peu de temps, cette route va être euh, carrément réhabilitée. Par rapport aux différentes pannes qu'ils ont sur, les, sur ce réseau, moi je dis que en matière de conduite routière, il faut s'adapter. Je suis aussi représentant du ministère de l'équipement au niveau de la Commission nationale des retrait des permis suite aux différents accidents qui se passent à travers le pays. J'ai toujours attiré l'attention des conducteurs que l'état de la route est un des facteurs des accidents. Mais l'état primordial, c'est l'être humain. C'est celui qui détient le mobile. Chaque route, il faut euh, adapter sa conduite en fonction de son état quand on a une route qui est dans un état de délabrement, il va de soi qu'on euh, fasse plus euh, attention. Mais ces chauffeurs-là, parfois, malgré l'état de la route, euh, je ne sais pas si on est pressé d'arriver, ils veulent conduire comme si la route était en bon état et c'est inévitable les accidents. Mm. Par rapport aux différentes pannes qu'ils subissent, la plupart des pannes, parce que je, je fais le, suivi du réseau et chaque fois je suis sur ces sections à problème là. Les plus grosses pannes qu'ils ont, c'est les lames qui cassent, les ressorts qui cassent. Et ça, c'est compte tenu de l'état de la route. Quand vous avez un trou, vous avez un chargement, évitez le trou ou bien allez tout doucement. Sinon, vous tombez dans le trou, vous cassez la route. Mais et vous... cassez votre véhicule. Mais qu'est-ce que vous faites pour venir à bout de ce problème-là Qu'est-ce que le ministère fait eh, C'est ce que je vous ai dit tantôt. À partir du moment où la route est programmés pour la réhabilitation. Nous, on suspend l'entretien parce que c'est euh, en quelque sorte une perte. Les études sont finies, il ne reste qu'à l'éducation à une entreprise pour que les travaux démarrent. On ne peut pas mettre nos maigres ressources qui ne suffisent même pas pour entretenir les réseaux sur des sections qui vont être euh, bientôt réhabilitées nous allons revenir vers vous. Euh, on le sait, la route est un instrument indispensable au développement d'un pays. À cet effet, il faut la préserver et l'entretenir. Et donc, une mauvaise exploitation, comme vous venez de l'indiquer, peut engendrer sa dégradation, voire son impraticabilité. Force est de constater le plus souvent la question de la surcharge les transporteurs ont tendance à dépasser les normes réglementaires du gabarit et de la charge à l'issue. Monsieur Moumouni, vous êtes toujours à ligne Dites-nous, euh, au niveau de votre syndicat des transports euh, usagers, euh, quelles sont les normes exactes à respecter dans le transport des personnes Bon, comme je le disais tantôt, dans le transport en commun, nous avons des petites voitures qu'on appelle 9 places. Nous avons aussi minibus qu'on appelle 19 places. Euh, nous avons aussi des bus qui prennent 30 passagers ou 40 ou 60 jusqu'à à 70. Donc, euh, ce sont les, bus que nous utilisons. Mais est-ce que ces, ces, normes sont respectées Aujourd'hui, madame, les normes sont respectées parce que ça n'accepte pas de prendre le social. Parce que si vous prenez le social, tantôt je le disais, il y a certes à, à, contrôle sur la voie. Donc, si vous prenez une sous euh, euh, vous, la police est là, la gendarmerie est là, elle va vous verbaliser, vous allez payer. Donc aujourd'hui, les contraventions qu'on connaît n'est pas comme euh, avant. Aujourd'hui, vous prenez le sous vous arrivez à un poste de contrôle, les vous disent de payer 24 000. Vous imaginez, vous a un passager au niveau de la à et avec 9 passagers, 9 passagers, peut-être c'est à 4 à 5 000 qu'on prenait, on vous organise à, à, 24 000. Donc, euh, côté surcharge, je ne pense pas qu'il y a de surcharge. Même s'il y a de surcharge, nous, à notre niveau, au niveau du euh, de syndicats de nous, le bus ne prend pas de surcharge. Parce que d'abord, nos patrons ne vont même pas accepter les, compagnies modernes et même avec les grandes accepter de surcharge. Oui, et, sur la question des bagages, est-ce qu'il y, y, a surcharge dans ce cas Bon, dans le bagage euh, aujourd'hui à la parce que vous allez constater tout le bus aujourd'hui, il n'y a même pas un gare en haut de bus. Le bus est construit et les passagers sont en haut, les, les coffres sont en bas. C'est que vous-même, vous avez vous voyez plusieurs fois. Donc, euh, au niveau de notre euh, syndicat, nous, nous n'avons pas de sous charge de bagage. Peut-être, je ne sais pas, côté poids lourd. Et même côté poids lourd, le euh, camion, il n'y avait pas de sous Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a le dossier partout le, poids est diminué à ce qu'il n'y aura plus de surcharge. Mais Monsieur Moumouni, le constat est tout autre. On voit la plupart des temps les petites voitures IAS, communément appelées IAS, les 17 places, qui transportent souvent des lits, des gros, des gros sacs et autres sur leur, euh, sur leur véhicule. Ça, n'est pas un cas de surcharge Bon, a on peut dire que c'est un cas de surcharge, mais la police est là pour euh, voir ces, gars, ces genre de trucs-là, je ne peux plus me prononcer, dire que vraiment. Parce que nous, au niveau du syndicat, c'est déjà interdit. mais il, il, reste de, la police de, de s'en charger C'est interdit, mais les chauffeurs n'appliquent pas. Les chauffeurs, euh, vous savez, on ne peut pas dire euh, euh, les choses qui ont été interdites à tout le monde. Il y a certaines qui fait comme ils s'en foutent, mais sinon, pratiquement aujourd'hui, le sous-charge est diminué. Mm. Je reviendrai vers vous. Alors, Monsieur Mamal Lawal, pensez-vous que euh, la question de la surcharge fait, est l'un des facteurs de la dégradation de la route Oui, absolument. Mais avant de vous répondre, je vais revenir euh, au niveau du Monsieur des syndicats. Mm. Au fait, euh, je me rends compte que c'est le représentant des syndicats des conducteurs voyageurs routiers. il aurait fallu peut-être aussi toucher ceux des transporteurs de marchandises parce que c'est le plus grand euh, euh, destructeur de notre réseau routier. Mm. Au Niger, à toutes les sections de route que nous construisons, nous allons sur des bases de 11 tonnes 5 à l'essieu. Ça veut dire que nous faisons des calculs avec 11 tonnes 5 euh, à l'essieu. Tout véhicule qui dépassera ces 11 tonnes 5 à l'essieu est facteur de destruction de la couche de roulement. Cela peut aller jusqu'aux euh, structures sous-jacentes de la chaussée, ce qui amène une destruction systématique de l'ensemble de la route. par rapport à ça, d'ailleurs, euh, il y a un règlement communautaire qui s'appelle le règlement 14 de l'UMOA, qui est censé être en vigueur à, partir d'avril passé. Mhm. Au Niger, on a commencé à son application. Et cette application de ce règlement-là a amené des petits pépins parce que moi, j'ai reçu sur mon bureau des lettres de certains, certaines sociétés de transport marchandises qui demandaient à uniformiser le règlement 14 d'un pays à un autre. C'est vrai, euh, le règlement 14 est clair. Pour tout véhicule qui, est, qui a 5 essieux, la charge roulante est de 51 tonnes. Il se trouve que dans la lettre que j'ai reçue, euh, euh, il s'agit d'une société de transport euh, d'hydrocarbures qui nous font comprendre que à Abidjan, ils ont jusqu'à 61 tonnes et que quand ils arrivent au Niger, on leur dit que c'est 51 tonnes. Je que jusqu'à preuve du contraire, c'est 51 tonnes parce que c'est ce que dit le règlement 14. Mm. Et on a instruit au niveau des postes de pesage de l'ensemble euh, du réseau routier le respect strict du règlement 14. Mais est-ce qu'il est respecté au niveau des transporteurs ah, il, est, il doit être euh, respecté parce que s'il ne l'est pas, il y a des pénalités. j'espère bien que ces transporteurs-là vont le comprendre ainsi parce que euh, d'habitude, avant le règlement 14, avant l'application du 1er avril dernier, vous payez les pénalités, on vous laisse partir avec vos marchandises. Mm. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est une peine perdue parce que euh, euh, le mal continue à être fait quand ce véhicule-là continue à emprunter la route avec sa charge, il déforme la route. Maintenant, c'est systématique. Le règlement dit que euh, vous payez la pénalité et vous délestez le camion. Ça veut dire que les gens souvent comprennent que quand il va descendre ses marchandises à l'air libre, parce qu'on n'a pas de magasin pour le moment sur les stations de paysage, euh, il les décharge à sa charge. Il, assure l'entretien et le gardiennage. Alors, euh, j'espère bien que les transporteurs vont comprendre et puis respecter les charges à l'essieu. Il y va de leur intérêt et de l'intérêt de l'état des routes. Donc, quelles sont les routes euh, qui, qui, sont concernées par rapport à ces normes du, règlement de l'UMOA Bien. Qui répondent, autant pour moi, qui répondent aux, normes Disons que toutes les routes qui ont une sortie, ce que nous nous appelons le corridor vers le port. Si vous prenez la route euh, de Makolandi, on a une, une station de paysage à Makolandi. On en a une euh, ici à Sorey. On en a une à Dosso. On en a une à Kwani. On en a une à Termini à l'entrée des Zender. Et ces stations sont dotées d'appareils de paysage euh, qui déterminent le poids roulant en charge. Et quand vous dépassez ce que dit le règlement 14, vous subissez les conséquences de la loi. Mhm. Monsieur Moumouni, je reviens vers vous. Vous venez là de l'entendre. Euh, pour lutter contre la surcharge, les États membres de l'UMOA ont mis en vigueur depuis le 1er juin le règlement euh, relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Est-ce qu'au niveau de votre secteur, le transport des usagers, est-ce qu'une telle réglementation existe euh, Je dis ça existe au niveau des transports en commun. Mais quand euh, ils disent le, euh, le marchandise, nous, c'est le transport en commun. C'est seulement le bus et le minibus que nous nous, conduisons. Mais mhm. là, Maintenant, ça ne fait pas 4 à, 3, 4 à 3 mois le délai parce que normalement, dans, euh, les trucs de, CDAO, le bus, euh, on ne pèse pas le bus. Mais le Bénin a commencé à, à, le bus. Hein. donc ça a créé des problèmes. Maintenant, juste le problème est là, parce que le bus ne, prend pas de marchandises. Le bus ne prend pas de marchandises. Donc euh, maintenant, ce problème existe entre le, syndicat et le Bénin. Parce que nous, nous partons jusqu'au Sénégal, au Mali, euh, en Côte d'Ivoire, au Burkina, il n'y a pas un point de, de pesage où on peut peser le bus, même au Ghana. Mais le Bénin a commencé, ça a créé des, problèmes. Maintenant, nous sommes en train de voir euh, dans quel moyen nous, on va essayer de voir comment le Bénin est en train de peser le bus. Et quels sont ces problèmes-là et Le Bénin, nous disent que le bus, euh, à, partir de 18 tonnes, le bus est spécial. Le Bénin nous donne 17 tonnes et demi alors que même le bus vide peut peser 15 et demi. Donc, euh, vous imaginez le passager, un bus qui a pris 70 euh, euh, passagers avec leur valise, peut dépasser une tonne et demie. Parce que nous avons demandé aux Béninois que le bus, on ne, pas le bus dans la sous-région. Et ils disent dans leur règlement que le bus doit peser Mm. Mais jusqu'aujourd'hui, nous, on n'a pas euh, la réponse euh, que le Béninois nous donne encore. On est en train de négocier avec eux. Alors, euh, monsieur Mamalawal, qu'est-ce que l'État fait pour réparer les dégâts causés par la charge routière au Niger D'abord, je vais vous faire un petit aperçu du réseau routier national. au Niger, nous avons 20 295 km de routes tout confondues, dont 4 593 km de routes bitumées 8571 km de route en terre et 131 km de pistes sommaires. en gros, on peut dire que le total aménagé et entretenu est de 13 164 km pour la Direction générale de l'entretien routier. vous avez tantôt parlé de, des mesures prises par le ministère euh, pour l'entretien. Au fait, euh, chaque année, il y a un programme d'entretien annuel qui est programmé en fonction des moyens de la CAFER, parce qu'il faut le préciser, euh, l'entretien est assuré par le ministère de l'Équipement, mais payé par la CAFER, et cela depuis 1999, quand il y a eu la privatisation de l'entretien routier euh, et la création de la Caisse autonome de financement de l'entretien routier. Ces fonds, en grande partie, viennent de la redevance pétrolière. J'appelle la redevance pétrolière, c'est ce qui est au niveau euh, de la vente du carburant, sur chaque litre, l'entretien routier à 20 francs. Et c'est cette redevance pétrolière-là qui permet d'entretenir le réseau routier nigérien, plus la euh, participation de l'État et les différents dons et legs qu'on a de l'Union européenne et des différents partenaires, plus euh, en petite partie, pas plus de 10%, le péage routier et le paysage routier. Alors, en fonction euh, des moyens au niveau de la CAFER, parce que c'est le, couvrement qui, qui, cause problème, on fait chaque année un programme d'entretien routier et on priorise parce qu'on ne peut pas entretenir en fonction euh, euh, de, des différentes euh, difficultés de recouvrement euh, de ces fonds-là, mm. on est très limité et on priorise l'entretien. Oui, et à la date d'aujourd'hui, quelles sont les quelles sont vos priorités, les routes qui sont concernées euh, pour la réhabilitation et l'entretien Je vais vous faire euh, un petit aperçu de 2016. En 2016, nous avons programmé 27 milliards pour le budget d'entretien au niveau national, dont 20 milliards uniquement pour les travaux. Il se trouve que rien qu'au niveau du conseil de la CAFER, du conseil de route, ça veut dire que c'est comme le conseil d'administration. Il a été voté 15 milliards 230 millions pour l'ensemble du réseau routier. Maintenant, à la mise en œuvre de l'entretien routier, on n'a pu engager que 7 milliards 521 millions. Ça veut dire que à peine on a pu couvrir 35% du réseau avec les 7 milliards 521 millions. Mm-hmm. pourquoi je dis on priorise les routes euh, On a des routes prioritaire. Nous appelons axe prioritaire ou axe armature toutes les routes nationales bitumées. Hmm. On ne veut pas qu'il y ait interruption de circulation sur euh, ces routes-là. Alors, euh, le peu euh, de fonds dont dispose la CAFER est investi en fonction des priorités des tronçons. Hmm. Et, cela amène parfois, par l'abandon, mais des petits écarts de, de traitement et d'entretien sur les routes en terre qui relient les différents euh, village à l'intérieur du pays. Actuellement, je, sais qu'on a plusieurs sections qui sont coupées euh, depuis l'an dernier, telles que Walam Farka. Les gens ils n'empruntent plus cette section parce qu'elle est coupée, mais c'est par défaut de moyens. Mhm. Ok. Euh, monsieur Moumouni, pour en finir, qu'est-ce que, comment pensez-vous venir à, bout de ce problème de la dégradation des routes Qu'est-ce qui doit être fait selon vous Bon, ce qu'il doit faire, selon moi, vraiment, au niveau des transports en commun, nous demandons à l'État de, faire un effort pour euh, entretenir ces routes parce qu'ils viennent de parler euh, de, péage. Nous, pour nous, le péage est énorme. Parce que si on prend l'exemple des autres pays comme le Burkina, le péage est quelque chose qui est rentable pour le euh, développement du pays. Parce que si ces routes-là sont vraiment donc, euh, la plupart euh, des, gens qui quittent au Bénin ou à Lomé pour venir au Niger pour, passer. Maintenant, la dégradation de la route a fait que beaucoup n'arrivent pas à, Certains même ont garé le camion, ils ne veulent plus travailler. Parce qu'à Lomé, beaucoup, si on leur dit, voilà, euh, et, plutôt à Cotonou, voilà le marchandise de Niger grâce à à dégradation de la route où les jeunes ne viennent pas. Donc vraiment, nous demandons à l'État de faire un effort pour mm. aider la population qui est en train de souffrir. Monsieur Mamad Lawal, plus haut, vous, avez parlé euh, des différents axes de la route RN7. Mm-hmm. Pouvez-vous un peu nous expliquer euh, les différents axes nationaux du Niger Si vous voulez parler de l'ensemble euh, du réseau routier national, nous pouvons dire qu'au Niger, nous avons 46 routes nationales en terre comme route bitumée confondue. Ce classement-là est fait sous décret ministériel de classement des routes au Niger. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a 46 routes nationales et tout un tas de routes régionales et des routes rurales. Mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre de poser une petite question à notre camarade du syndicat. Oui, bien sûr. Euh, je suis aussi représentant du ministère de l'équipement au niveau de la commission de retrait des permis, la commission nationale. Il se trouve que nous attirons l'attention de vos euh, de vos syndiqués, de vos agents chaque fois que qu'au Niger le transport mixte est interdit. Il s'agit euh, euh, généralement de ce que l'on appelle les Dogambaroula et les bâchés, qui transportent des, des vivres et qui posent des passagers dessus ou qui transportent des animaux et qui pose des passagers dessus. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous, au niveau de votre syndicat, vous les sensibilisez pour éviter, parce qu'il y a une loi qui l'interdit, il y a des textes qui interdisent le transport mixte. Et ça a toujours été source de plusieurs accidents. Monsieur Moumouni, vous avez entendu la question Oui, j'ai bien entendu la question. Mhm. Bon, nous, je vous ai dit, nous, c'est des transports en commun. Maintenant, de Dogombar, autre dont il parle, souvent, c'est des gens qui ont le permis pour alléger. Et le syndicat en train de sensibiliser tout le temps. Maintenant, le reste, c'est pour la police. Et quelqu'un qui, a au moins 7 à 5 passagers sur ces 4 grilles et qui prend 12 ou bien 20 personnes en brousse. La, police qui est là, qui voit le permis et qui laisse. Bon, ça c'est autre chose. Nous, on ne peut pas intervenir dedans parce que d'abord, nous, notre syndicat ne défend que dans commun. Mais même les yas, là, les, yas qu'on voit euh, dans la brousse, ils transportent des, des, animaux. Et puis il y a des, des personnes là-dedans. Bien sûr, madame, nous, nous, nous, disons toujours de faire attention à ce que, ce que la loi interdit. Mais je dis bien, regarde ici dans la ville de Niamey, comment on appelle le fabo Faba. Faba et le Fabou Faba, la prière de leurs chauffeurs, c'est des chauffeurs de poids légers. Or, nous, notre syndicat, je vous dis bien, c'est des syndicats de conducteurs du chef du en commun. C'est un statut basé seulement sur l'en commun. celui qui, qui conduit, qui n'a pas d'en commun, ne fait pas de notre syndicat. Malgré que c'est des chauffeurs, on veut défendre, mais vraiment, là, celui qui n'est pas avec la loi n'est pas avec nous. Monsieur Mamalawan, revenons sur les différentes euh, routes euh, nationales du pays. Elles sont combien Oui, je disais tantôt que nous avons 46 euh, routes nationales. Les cités seraient un peu très longues. Les principales Les principales, nous avons la RN1 qui relie, disons, à à la frontière du Tchad. Et nous avons la RN7 qui est d'Osso frontière à Bénin. Nous avons la RN6 qui est Niamey frontière Burkina par Torodi. Nous avons la RN9 qui fait Maradi d'Aïssa au Nigeria. Nous avons la RN10 qui fait euh, Taketa matamey frontière Nigeria. La RN11 Sud qui est Zender Magaria frontière Nigeria alors, euh, si je reviens vers euh, Niamey, nous avons la RN4 aussi, qui fait Niamey-Namaro, qui va jusqu'à et maintenant elle va jusqu'à jusqu'au Burkina par Dori. En fait, euh, là, j'ai cité pratiquement toutes ces routes bitumées. Pour un peu vous interrompre, à part la RN7 qui connaît un état de dégradation, est-ce que toutes ces routes nationales principales sont en bon état oui, euh, on peut dire qu'elles sont dans un état acceptable. Euh, je vous ai fait, euh, je vous ai parlé un peu de, du kilométrage que nous avons au Niger. nous avons des méthodes de relevé de dégradation qui nous permettent de classifier l'état des routes. pour les routes bitumées, je peux dire que au Niger, nos routes bitumées sont à 40% bonnes. on a 29% qui sont moyennes. 31% euh, qui sont en mauvais état. Et euh, quand on dit moyen et mauvais 60 contre 40, on se rend compte que euh, c'est plutôt mauvais. Qu'en est-il alors de la route Tawa-Arlit, qui pratiquement, on peut dire, n'existe plus depuis près de, des années Bien, très bonne question, parce que moi, avant de revenir au ministère, j'étais sur cette section-là, à travers une subdivision d'entretien qui était patronnée par les sociétés minières. J'avais bénéficié d'un détachement pour l'entretien de cette route-là. Mais en 2001, la convention, euh, c'était la fin de la convention d'entretien par les sociétés minières. Euh, elle a été reversée au niveau de l'entretien routier, mais compte tenu de son état et de son âge, la dégradation était généralisée de telle sorte que l'entretien courant ne pouvait pas la maintenir en état. Il fallait immédiatement, à partir de 2001, parce qu'en 2001, elle a eu ses 20 ans, on devrait la réhabiliter. C'est laquelle des RN C'est la RN, euh, elle est composée de deux sections. Une section de la RN 25 qui fait Tawa-Agadez et une autre section de la R11 Nord qui fait Agadez-Arlit. Alors, euh, qu'est-ce qui doit être, euh, qu'est-ce qui est concrètement fait donc pour. disons que cette route-là, actuellement, on a la section de la limite de Tawa à Tamaya jusqu'à Agadez qui est en travaux. Et de l'autre côté, Agadez jusqu'à Arlit. Ça aussi, il y a une société qu'on appelle JEPCO qui est dessus, et euh, qui sont là pour la réhabilitation. Et monsieur Momalawal cette route Tawa-Arlit, on le sait, c'est quand même une route qui transporte l'uranium et sur laquelle est transporté l'uranium. Alors pourquoi l'État traîne à, parachever son, de sa construction En fait, euh, euh, disons que cette route-là arriva à promis un financement par rapport à cette route. pas promis d'ailleurs, euh, ils ont accordé un financement pour euh, la reprise euh, de certaines sections de cette route. Et c'est ces sections qui, dont je viens de vous parler qui sont actuellement en chantier. De la limite Tawa à Tamaya jusqu'à Agadez, 297 km. Et de d'Agadez jusqu'à Arlit qui fait 249 km. Mm. Normalement, c'est actuellement en travaux. Un mot de fin. Bien, le mot de fin, c'est que je vais dire euh, aux différents usagers de la route, euh, parce que euh, moi, je fais le suivi du réseau routier. J'ai l'habitude, quand je faisais mes missions, de rencontrer des conducteurs de TLM compte tenu de la charge qu'ils ont sur leur camion, qui ont eu des crevaisons et qui se permettent de creuser la couche de roulement avec des burins pour placer leurs cric. Ça, c'est de la destruction du bien public. Au fait, le conducteur qui le fait lui-même, demain, il peut revenir tomber dans ce même euh, trou qu'il a créé et casser un organe de son véhicule. Mhm. Il y a certains, quand ils tombent en panne, euh, ils se permettent de purger leur véhicule, ils versent des lubrifiants sur les chaussées. Et, qui dit gasoil, c'est comme si vous mettez. C'est carrément, il, déforme le, bitume. Mhm. le respect de la circulation et des panneaux ce qui a amené aujourd'hui, euh, on a même des problèmes avec nos bailleurs de fonds quand on construit des nouvelles routes. Le lendemain, on trouve des, un ralentisseur euh, dessus. Mm. Ça, c'est dû à l'excès de vitesse de certains conducteurs. Merci beaucoup. merci, madame auditeurs, auditrices, euh, ici prend fin ce numéro du forum du studio Kalangu qui avait pour thème mauvais état des routes euh, au Niger. Merci à nos invités. Monsieur Mouni, il, il, représente, il représentait le syndicat des conducteurs routiers en commun. Merci d'être resté en ligne. Merci également à M. Lawal qui est chef suivi des réseaux et ouvrages au ministère de l'Équipement. Merci d'être venu. La technique était assurée par Seni Saka, la réalisation Diallo Boubacar. À la présentation, c'était Nafis Adam Sifo. Bonne rupture de jeunes à ceux qui nous écoutent et à demain.